Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h du miroir de la femme. Cela est dû le Niger célèbre ce jour 13 mai 2021 la 30e édition de la journée nationale de la femme nigérienne, intitulée sous le thème Renaissance féminine au Niger. Quelle stratégie pour un développement durable. C'était sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Ouhmoudou Mahamadou. Reportage à Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Célébrer cette année sous le thème Renaissance féminine au Niger, quelle perspective La journée nationale de la femme nigérienne est à sa 30e édition. Pour rappel, cela fait 30 ans que les femmes nigériennes ont marché pour revendiquer une meilleure représentation de la composante féminine au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. Depuis 1992, la journée du 13 mai a été décrétée journée nationale de la femme nigérienne d'où l'occasion pour les différentes structures en charge de la promotion de la femme d'édifier les femmes sur la dite journée. La ministre de la promotion de la femme, dans un message qu'elle a délivré pour la circonstance, a expliqué le choix du thème de cette année, les objectifs et les réalisations de la dite journée. Entre autres avancées dans le domaine de la participation politique de la femme, la révision et l'adoption de la loi sur le quota en 2019 qui rehausse le taux de 15 à 25 pour les, taux et euh, les postes électifs et de 25 à 30 pour les postes nominatifs. L'application de cette loi a permis de passer de 29 députés aux élections de 2016 à une cinquantaine pour la législature actuelle. Malgré ces avancées, il reste encore à relever. Aussi, je demande aux femmes leur participation dynamique et responsable qui permettra d'engager et de réussir le combat pour le développement aux côtés des hommes. Procédant au lancement officiel des activités de cet important événement, le chef du gouvernement a rappelé les actions engagées par le pouvoir public tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement et de ses partenaires à poursuivre sans relâche les objectifs visant l'autonomisation de la femme pour un développement inclusif du pays. Le gouvernement est conscient que des efforts supplémentaires doivent être faits pour assurer l'effectivité des droits des femmes et leur autonomisation. En particulier, les efforts seront poursuivis pour combattre les clichés et les stéréotypes dévalorisants qui empêchent aux femmes d'avoir réellement confiance en elles-mêmes. Or, la confiance en soi est le premier levier qu'il faut actionner pour que les femmes prennent leur place dans la société et pour qu'elles soient en capacité de déployer tout leur potentiel en vue de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Je reste convaincu que la protection et la promotion des droits des femmes passent par une véritable pédagogie en se fondant sur le principe que la femme est un membre entier de la société et une actrice de changement. On ne saurait donc discriminer un membre de la société pour des raisons subjectives en rupture avec la réalité. La femme se doit de prendre en charge les défis de notre société, qu'il s'agisse des défis sécuritaires, ceux liés à l'éducation et à la formation, ou encore les défis liés à sa participation aux instances de prise de décision. Je suis particulièrement administratif devant les efforts qui ont été faits pour affirmer le leadership féminin dans l'espace public. En effet, les femmes expriment leur talent et leur ingéniosité sans complexe en tant que chef d'entreprise artisane, transformatrice de notre potentiel agro-pastoral, créatrice de start-up, actrice de groupements féminins ou de groupements d'intérêt économique, fonctionnaire, actrice du jeu politique, etc. C'est notre pays qui gagne. Ainsi, car la voie de l'émergence passe indiscutablement par là. Malgré que plusieurs avancées ont été enregistrées dans les luttes féminines, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi la présidente des associations féminines a saisi cette occasion de la journée pour soumettre leur doléance, notamment un mémorandum au Premier ministre. Espérons que ce mémorandum sera pris en compte par les autorités de la 7e République qui vont faire de la scolarisation de la jeune fille une priorité pour l'amélioration des conditions de vie de cette dernière au Niger. Pendant qu'en milieu urbain, la célébration de cette journée du 13 mai reste marquée par des festivités, en milieu rural, les femmes continuent leurs activités quotidiennes dans une indifférence totale face à cette journée. Allons à cette occasion à la découverte de certaines de ces femmes veillantes dans ce reportage signé Assane. Elles sont nombreuses, les femmes qui, comme les hommes, consacrent leur quotidien aux activités génératrices de revenus. Et c'est à travers ces activités que ces femmes arrivent à subvenir venir à leurs besoins. Le jardinage est notre principale activité. C'est ce qu'on a appris à faire avec nos parents. Et c'est grâce à cette activité que nous arrivons à subvenir à nos besoins. On a plusieurs types d'arbres fruitiers, que ce soit la mangue, l'orange, le citron, la citronnelle et même la banane. On en a plusieurs et on arrive vraiment à joindre les deux bouts à travers cette activité. Cependant, Malgré leur détermination, ces femmes rencontrent certaines difficultés dans le cadre de leurs activités, d'où ce cri de cœur. Parmi les difficultés que nous rencontrons, c'est la vente, parce que c'est seulement au mois d'août que nous réalisons beaucoup de ventes. Sinon, après août, il faut encore août prochain pour qu'on réalise une importante vente, à part quelques fleurs que les gens achètent en compte-gouttes. Il est à noter que ces activités génératrices de revenus permettent à ces femmes de joindre les deux bouts, une façon pour ces femmes de lutter contre l'oisiveté et le chômage. Vu cette situation, la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfant, cette année, le village de Tondoukware n'est pas resté indifférent face à cette journée. Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cette cérémonie commémorative rentre dans le programme des activités entrant dans le cadre de la Journée nationale de la femme nigérienne édition 2021, célébrée sous le thème Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable C'est pour renforcer la solidarité avec les femmes rurales qui d'ailleurs vivent de la misère et continuent à souffrir à travers les tâches ménagères. C'est pourquoi les représentants du village Tondikware ont passé à revue l'histoire de leur village avant de présenter leurs doléances aux autorités. Madame la ministre, nous souhaitons plus d'accompagnement en ce qui concerne le maintien de la jeune fille à l'école, la création des activités génératrice de La construction d'un CSI, dans le terrain d'une superficie de 625 mètres carrés est à notre disposition. Prenant la parole, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant ne pas rester sans voix face aux femmes rurales de temps du à l'occasion de la dite journée. L'un des objectifs visés par cette journée et de donner aux femmes rurales et à leur organisations la possibilité de sensibiliser les autorités et le public sur leur rôle essentiel et combattre les inégalités et préjugés envers les femmes et les filles rurales. À travers la célébration de la présente journée, l'occasion est donnée à tous les acteurs de développement d'asseoir leurs stratégies pour contribuer à une véritable renaissance féminine au Niger. Nous sommes convaincus qu'au Niger, l'équité de genre et le leadership des femmes est l'une des conditions pour le plein exercice des droits fondamentaux des femmes et des filles. C'est pour dire que la célébration de cette journée offre l'opportunité de créer un cadre d'expression et de plaidoyer aux femmes vivant en milieu rural, d'échanger sur leur savoir-faire, de capitaliser et diffuser les bonnes pratiques. Face aux problèmes d'accès des femmes aux facteurs de production, aux équipements, à la formation technique et aux infrastructures, le gouvernement, par ma voix, poursuivra ses efforts pour que la promotion de la femme soit une réalité dans notre pays. Notant que important don composé du riz, de l'huile, etc. a été soumis aux habitants de ces villages de temps Tandikwarey. Cette cérémonie a été riche en couleurs, et immortalisé par une chanson de remerciement pour ce choix porté sur le village de Tondikwaret pour rappeler cette date historique au cours de laquelle les femmes ont réclamé et obtenu une plus grande représentativité au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine de 1991. À cette occasion, le studio Kalangou est allé à, la rencontre de Rachidato Abdou, fondatrice de Foyer en Noura. Elle nous parle de ses activités suivant ses reportages. ai aiwa gita rashida rashida ta abdu fondatrice foyer annur aisha aiwa jeune de santeno santeno haiti ai ban sante haiti 3 ans ai go show shomi haiti stage kalai farga ai mandu contrat ai barga gorfuya donc za ka ay go te 3 nga no i ne formé en cosmétique donc diplôme mo day kuuray de école ni garde jalouse ma ni gay ay ni gay day kala boori donc han so ci na tunu ay ne shoma hay wa gora wa wasese za dai kan ay gonda kambugo yase man tay kaga gojina cecino ga sentin gati ngono gati kan aina safon gina ceci da bonji zamai gwan matki bonji da safon teda ai duwe ai kag sentin ai sabagi tallo wasa poma za a yi forme bar hinki hin ci kal hino bar waran ziyan bar wai ci yan kula yi forme kala ga forme wasa pay ban group yan goni kan bar gikire bar yan go gabon yan bar shina yan cote d'ivoire yan had francian baryan gonka ayo aini formi to eh, savon ay de kan irgite wani o savon transparent no zongo ta kini boato 2000 francs kan mi jina ga teda jiwoni igi funinda Ghana igi funinda Nigeria wani mu sud costico no yuna gati bazo to wodin da yana ne alhamdulillah paske duman ta goyo kan gaishe don ai bai nan kan ne ga gana zama ai ne dai fuaya ya kuna ai gano goga idi hai kulkan ai nera in gano ai san bayam da wari paske halga kason bumboda irin irkur mai buga kason irin sin da pansiyon gina bifo dai no pansiyon ai sintin ga fatta hun kuna le 10 décembre 2019 ga ka hankuna combien de mois no bai gudu pension ndi ya dinga situation iga arabor kan siga haifote ni gwanda situation to wallahi wace yin waka ayi ta yi sai kulu wai bar wasan nan kan hayato wai bar man hingu goro gabatu gane kaldai albar makandin gasi ankun babar ganda kuri ni gogoi ni kuri ni gogoi akan dinga kan ba ni kan din kan ba aran kul fugutun me nim goro ni me kal am kan di wal nin kan ni kuri ni ni goro mai no ginne La Ouma islamique a célébré hier la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan après un mois de dévotion et de prière. Le fidèle musulman ont mis en exergue ce moment opportun pour le pardon, le temps fort de la prière de Idi avec Alouma Massani et Ibrahim Kantama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu cette prière collective de Eid, de la fête de l'Aïd el-Fitir à la grande mosquée de Niamey a vu la présence de plusieurs personnalités. Le président de la République, Alaïs Bazoum Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Alaïs Oumarou, le premier ministre Oumarou Mahamadou et le président sortant, Alaïs Youssouf Mahamadou. Dans son sermon au Koutouba, l'imam de la grande mosquée Cheikh Jibril Akaranta est revenu sur la particularité de ce moment tant attendu. Un moment de tolérance ايها الناس هنيئا لكم بهذا اليوم المبارك وجعله الله عيدا سعيدا وتقبل الله منكم طاعتكم Certaines personnalités rencontrées ont profité de cette occasion pour présenter au peuple nigérien et à toute la Ouma islamique leur vue de nouvel an. Pour notre pays, je souhaite la première chose que je souhaite, c'est la paix. La paix et la sécurité. Je prie Dieu pour que nos martyrs, les soldats tombés sous les balles des terroristes et de ces bandits, les populations civiles assassinées par ces terroristes, que Dieu les accueille dans le paradis, dans le son paradis éternel. Je souhaite vraiment qu'ils reposent en paix. ce qu'il faut demander au peuple nigérien, c'est l'unité. L'unité pour battre ces voyous, pour battre ces bandits. Je pense que, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons vaincre. Nous ne sommes pas un pays constitué par hasard. Nous réunissons beaucoup de facteurs qui peuvent nous permettre de construire une nation forte et prospère. Puisse Allah nous aider à le réussir. Nous souhaitons que cette sécurité, cette tranquillité revienne au Niger. Et également, avec euh, le Covid, nous appelons toute la population à cette occasion, à partir de demain, je dirais, puisque le carême est terminé, il y a des gens qui sont hésitants ou qui disent avec le carême on ne fait pas la vaccination, je pense que le carême est terminé. Nous les invitons à venir se faire vacciner comme nous l'avons fait nous-mêmes parce que la maladie là continue à circuler au Niger. Chaque jour, nous enregistrons des cas et vous entendez tout ce qui se passe ailleurs. Et je pense que cette fête est l'occasion aujourd'hui pour que les gens prennent conscience n'est pas de gaieté de cœur qu'on demande aux gens d'aller se faire vacciner. C'est pour se protéger, pour protéger leur famille, leur entourage, pour protéger la nation. Bonne fête à toute la population de Niamey, au-delà à toute la population du Niger et à, la Ouma islamique. Nos voeux plus cher à la population et à la Ouma islamique, que Dieu accepte nos prières et exauce nos voeux. Je demanderai particulièrement à la population de Niamey de cultiver le pardon entre les, concitoyens pour qu'ensemble nous œuvrons pour euh, le bien-être de nos populations. Enfin, les festivités se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, les fidèles musulmans mettent aussi à profit ce moment important pour des visites de courtoisie chez les parents, amis et connaissances. Bonne fête à toutes et à tous. Wakanyesi. Pour sa part, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a aussi présenté ce vœu de bonne fête à toute la Oumma islamique. C'est un mois d'abstinence, un mois de prière, un mois au cours duquel nous demandons à notre Seigneur, Allah Ta'ala, de nous pardonner. Nous demandons à nos amis, à nos parents, à tous les gens que nous avons offensés, de nous pardonner. Et c'est donc l'occasion de demander aux Nigériens de se demander pardon entre eux, de prier pour notre nation. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Niger. Donc nous devons être unis. Nous sommes face à des adversités diverses et pour euh, vaincre ces adversités, nous ne pouvons que rester unis. Il est indispensable que nous nous tendons la main, que nous travaillons de dignité. Et notre souhait, c'est que la saison de pluie s'approchant, que nous ayons une bonne année, de bonnes récoltes et évidemment la bonne santé qui nous permettra de manger tranquillement le fruit de notre bonne récolte. Toujours relativement à cette fête de Ramadan, notre reporter Mamadou Issoufou a fait le tour de la ville de Niamey ainsi qu'au musée national pour recueillir les bonnes fêtes des fidèles musulmans. Ce jour mercredi 12 mai 2021, c'est la fête de l'Aide el-Fitr au Ramadan. C'est un jour de joie, de pardon et de souhait. Hommes, femmes et enfants sortent un peu partout dans la ville. Certains se retrouvent sur les places de divertissement pour profiter de l'occasion et d'autres préfèrent visiter les mystères du Niger au musée national Bou À tout le peuple nigérien, une bonne fête de, Ramadan, que cette fête apporte l'union, la communion et l'harmonie à tout un chacun de nous, que la paix règne, que le développement soit et que les frères et sœurs, ceux qui sont ici et même ceux qui sont à l'extérieur, puissent s'entendre afin que nous ayons un développement et prospère pour euh, notre pays, notre cher pays, le, Niger. Ce lieu est une place qui attire la curiosité des enfants. C'est pourquoi le personnel prend le temps d'apporter des rénovations. On remercie le bon Dieu de nous avoir permis d'avoir euh, fêté en ce jour. Donc on a invité les enfants pour qu'ils viennent donc ils sont répartis dans les différents pavillons en ce qui concerne les eaux, les pavillons et il y a aussi les jeux de danse, il y a tout. Donc euh, c'est pour qu'ils puissent se divertir. Donc euh, chaque année, nous, nous offrons cette occasion aux enfants pour qu'ils viennent et la sécurité, on invite la sécurité pour qu'ils veillent aux enfants pour qu'ils ne sortent pas et pour qu'ils ne déraillent pas. Donc euh, il y a une nouvelle porte qu'on a ouverte ici. Il y a encore le dinosaure, il y a le girafe qu'on a construit. Il y a tas de choses il y a un tas de rénovations qu'on a fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire en ce qui concerne pour la bonne, pour la quiétude et la bonne marche du musée national qui est notre vitrine. C'est dans de bonnes conditions de plaisir, de distraction que les parents accompagnent leurs enfants. Visiter ces sites phoniques sans oublier la sécurité qui assure un climat de paix dans ces locaux.